de 15 minutes, c'est l'heure du Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite ou audiovisuelle pour analyser l'actualité de la semaine. Les programmes d'Istudio Kalango, pour rappel, sont diffusés en direct par 34 radios partenaires à travers le Niger. Au menu du forum de la presse de ce soir, le mécontentement et l'inquiétude des responsables de la presse privée suite au contrôle de la régularité des impôts et taxes dus pour les exercices de 2014 à 2017 et les déclarations souscrites pour 2018 ainsi que les multiples violations de la liberté de la presse au Niger, dont les violations policières récurrentes et restées toujours punies, euh, impunies. Nous parlerons aussi dans ce forum de l'arrestation du porte-parole du Front de l'opposition indépendante FOI, en l'occurrence Intinikar Alassane, et quelques participants au sit-in organisé par le FOI à la place Toumou le dimanche passé. Il sera également question de la marche en perspective de la société civile pour le dimanche 11 février prochain. Autre sujet d'actualité dont nous allons parler, ce sont les réunions de haut niveau tenues à Niamey pour le G5 Sahel, pour le G5 Sahel et le SILS, le comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel. Un autre sujet que nous évoquerons dans ce forum, si le temps nous le permet, c'est la question des mutilations génitales féminines dont la journée a été célébrée le 6 février dernier. Avec nous au studio pour en parler, nos confrères Ouseni Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ouseni. Bonsoir. Suleiman Mamadou du journal Niger Inter. Euh, bonsoir Suleiman. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Jafar Maman du journal L'Indépendant Plus. Présentation de cette émission à Sainte Kouzi Mahmoud. Auditeurs et auditrices du studio Kalangou, merci de rester fidèles à ces programmes. Bienvenue au Forum de la presse que nous ouvrons par le mécontentement et l'inquiétude des responsables de la presse privée relativement aux correspondances qu'ils ont reçues de la Direction générale des impôts. Celles-ci sont relatives au contrôle de la régularité des impôts et taxes dues pour les exercices clos de 2014 à 2017 et les déclarations souscrites pour 2018. Ces inspections ont d'ailleurs commencé mercredi 7 février dernier pour exprimer leur mécontentement dimanche 4 février dernier des organisations socioprofessionnelles de la presse, des responsables de la presse audiovisuelle écrite, ainsi que des journalistes sont appelés à un mot d'ordre libre d'écran noir et des pages ou bandeaux noirs pour la journée du lundi 5 février 2017, 2018. Suivant à ce sujet, Soumana Idrissa Maïga, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais tout le monde sait comment ça a toujours fonctionné dans ce régime. C'est caché derrière la loi pour régler des comptes politiques. On est dans cette dynamique-là, malheureusement. Ben, c'est l'occasion ici, on s'est penché sur euh, plusieurs aspects que les médias vivent euh, depuis quelques temps. D'abord, le détournement de la loi sur la presse, les brimades que les journalistes subissent et les médias dans l'exercice de leurs fonctions, etc., etc. Et également, on s'est apaisanti tout récemment sur la désignation euh, des membres du Conseil supérieur de la communication qui n'est pas en train, en tout cas, de, se faire conformément aux tests euh, en vigueur. Voilà, pour la journée de demain, ben, il est convenu que les médias audiovisuels fassent euh, une journée écran noir. Et puis, euh, pour ce qui est de la presse écrite, c'est des bandeaux et des pages noires pour attirer l'attention des uns et des autres sur le, mobile véritable qui est caché derrière cette opération des agents des impôts qui ne vise ni plus ni moins qu'à assassiner la liberté de la presse au Niger. Euh, vous venez donc de suivre Soumana Idrissa Samaïga, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Alors, euh, je m'en vais commencer avec vous, Elaj Suleiman Mamadou. Et partagez-vous le point de vue de Soumana Idrissa Samaïga qui voit euh, dans ses inspections l'expression de vouloir régler des comptes à des médias qui dérangent Bon, vous savez, euh, c'est un problème euh, assez complexe euh, qu'il faille au niveau de la corporation examiner avec lucidité. Il ne faut pas réagir souvent pour réagir. Il va falloir véritablement, quand des problèmes se posent, qui engage la corporation, qu'il y ait une réaction globale, donc qui impliquerait tout le monde. Donc, par rapport au problème posé, donc, parce qu'à la vérité, euh, on, a, on s'est référé à d'autres euh, éléments, les brimades euh, contre, en tout cas, les, le bannement donc, des journalistes, en tout cas, tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Mais le vrai motif, c'est d'abord, les gens ont, reçu des correspondances des services et des impôts. en fait, d'un point de vue des principes, demander aux journalistes ou bien aux organes de presse de payer leurs leur impôts, ce n'est que euh, normal. parce que personne n'est au-dessus de la loi, par conséquent, la lecture qu'on pourrait faire, euh, a priori, c'est que bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat si oh, seulement on demandait aux gens de payer leurs impôts. Euh, nous sommes des organes, donc, de, presse, par conséquent, autant le vendeur, en tout cas, tout celui qui tient une entreprise en bonne et due forme est censé le faire, on doit, on doit le faire. Maintenant, il me paraît évident que euh, comme euh, les gens l'ont dit, à la vérité, euh, il n'y a pas l'argent au niveau de la presse très malheureusement. Il y a que l'argent se trouve ailleurs et c'est que justement, entre autres arguments, les citoyens, même en plus des journalistes, reprochaient au, gouvernement d'aller chercher l'argent, l'argent ailleurs. Là donc, donc, là où ça se trouve. Donc en réalité, il y a que aussi les gens reprochent au gouvernement aussi de faire euh, de ne pas en fait euh, prêcher la vertu, par exemple, à savoir que le gouvernement doit aussi faire des efforts. Bref, vous voyez, on demande aux jeunes d'appliquer la loi, mais il y a d'autres considérations qui viennent euh, véritablement créer une sorte de, trouble. Maintenant, au, fond, moi, ce que je, ce que dit dis, il faut le, reconnaître à, à, à l'interne. Hein. À l'interne, ce que jusqu'ici, en réalité, malgré euh, en tout cas certains des organes qui, sont là pendant des années, mais la tenue de comptabilité régulière n'est pas vraiment la première qualité. Mmh. Donc aussi, effectivement, je pense qu'entre nous, il faut que se le combattre l'informel en notre sein. Nous ne pouvons pas, en tout cas, euh, être souvent même, disons, pour bénéficier de fonds à la presse, mmh. ils se débrouiller pour avoir des papiers, mais à la vérité, ils ne sont pas du tout, du tout à jour. Et ça, je pense que cela doit être, euh, franchement, euh, repris repris. Mmh, eh bien. Euh, ça. Issa euh, vous avez écouté Soumana Idriss Samaïga à l'occasion donc de cette déclaration que euh, un certain nombre euh, les organisations socio-professionnelles de, la presse ont, rendu public. Quel commentaire oh, Le commentaire, c'est que il y a une volonté manifeste d'étouffer. Déjà que <laughs> c'est pas c'est le milieu de la presse privée, notamment la presse privée indépendante. C'est pas, c'est pas une sinecure. C'est, pas un milieu où il y a l'argent à prendre. Il n'y en a pas. Maintenant qu'on sort des textes ou des machins pour vouloir contrôler, souvent sur 5 ans, on aurait dû faire ça tous les ans. Mais pourquoi d'emblée sur 5 ans Ça signifie quoi La volonté manifeste est là, de vouloir étouffer les organes de presse qui se débattent pour pouvoir exister ou survivre, je vais dire, parce qu'exister encore, c'est que tu, as, des racines et tout et tout, pour pouvoir exister, survivre. Il y a cette volonté qui est là. Parce que tout simplement, je ne peux pas comprendre qu'un bon matin, on se lève, un bon matin, pendant qu'on fait des cadeaux fiscaux à des, télécommunications, des, structures de télécommunications, on va vouloir chercher à Il faut se dire les vérités en face. Je suis pas là pour défendre les médias, je suis pas un responsable des médias. Je travaille dans les médias, je connais, À aujourd'hui, j'ai commencé, mais je connais comment ces médias la vivent. Je connais comment ils vivent. Il n'y a pas. Ils ont, ils ont, quand même le devoir, non, de, de s'acquitter de leur Mais qui doit faire l'effort dans un premier temps c'est au pouvoir, au gouvernement les fois chaque année de venir contrôler. À partir du moment où on a commencé à donner le fonds d'aide, voir comment le fonds-là a été utilisé. Est-ce que ça a été fait On va se lever un bon matin pour dire, voilà, des notifications, on va venir vous contrôler sur cinq ans, des choses comme ça. Moi, je dis quelque part, il y a une volonté manifeste de vouloir étouffer. Bien, nous... Et que hmm. le problème, n'est pas tous les organes qui ont reçu cette notification-là. Il y en a qui n'ont pas reçu à cette date-là. Alors une notification, quand elle est faite, on doit pouvoir la transmettre à tous les, tous les organes. En tout cas, tous ceux qui sont en mesure ou qui paraissent régulièrement ou qui diffusent régulièrement. On doit pouvoir leur transmettre. Le processus suit son cours. Mais le processus, pourquoi ça va prendre du temps nous allons donner la parole à Jafar Maman qui vient de nous rejoindre. Jafar, bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, nous sommes sur euh, ces mécontentements des, organes de presse relativement aux correspondances qu'ils ont reçues euh, de la Direction générale des impôts euh, qui doit faire le point sur les cinq ans passés de 2014 à, aujourd'hui. Et quels commentaires oui, euh, merci. Je pense que c'est un débat assez d'actualité et les implications que ça donne. Je pense qu'il n'y a pas longtemps déjà, euh, au niveau de la maison de la presse, euh, je participais à un débat sur la viabilité des entreprises de presse. C'est-à-dire déjà en amont, on avait anticipé sur la, la viabilité. Est-ce qu'on on, peut parler des entreprises de presse au Niger hum. C'est toute la difficulté et je pense qu'on on n'est pas parvenu à trouver une réponse euh, qui puisse nous permettre de dire qu'il y a véritablement des entreprises de presse. Elles sont en construction. Maintenant, parlant de, la fiscalité, je pense que en tant qu'entreprise, euh, euh, pratiquement tous les médias qui ont le registre de commerce en bonne et due forme doivent s'attendre à cet exercice-là. Euh, et le, le, le, cas, comme l'a dit Ousseini, ça devrait se faire chaque année et il appartient aux impôts de le faire. Bon, maintenant, si euh, encore la, vérification euh, s'impose sur cinq ans au niveau des impôts, on doit se dire que quelque chose, quelque part, au niveau de, de, de, ces, de ces services censés faire ce travail annuel, quelque chose euh, n'a pas été fait. Il y a eu manquement dans ces cas-ci, ils ne l'ont pas fait. S'ils ne l'ont pas fait, ça c'est une première responsabilité qui les relève. Maintenant, vouloir le faire aussi, euh, il faut l'accepter. Il faut l'accepter pourquoi Parce que c'est tout à fait réglementaire de, de, se prêter à cet exercice-là, mais d'être vigilant. Moi, c'est l'aspect où je vois. D'être vigilant pour que ça ne soit pas euh, pour que ça puisse se faire en toute transparence. transparence. Lorsqu'on va vers une entreprise, je, euh, nous sommes au Niger, on a eu de précédents où... En toute transparence, qu'est-ce que tu vous En toute transparence, je pense que euh, il y a toute une procédure de vérification de, de, euh, de paiement d'impôts. Hmm. Lorsque c'est pas fait, il y a des implications prévues par les textes. C'est ça qu'il faut aussi euh, respecter Et, ce qui amène à des... S'il faut faire un redressement de 5 ans d'impôts à, une entreprise de presse qui se trouvait être euh, en manquement pendant toutes ces années-là, c'est qu'il lui serait difficile euh, séance tenante de le payer. il y a <laughs> des procédures, justement, et il y a des procédures pour que cela puisse se faire de façon graduelle. Sans que ça puisse être... Sans euh, que euh, ça puisse euh, amener à la fermeture de l'organe, puisque c'est la pédagogie même des impôts, puisqu'il il va de l'avenir de, de la fiscalité. S'il faut euh, taxer une entreprise, jusqu'à l'amener à fermer, c'est les impôts qui perdent. S'ils si ont taxé en 2015 et que les impôts, les, entreprises ont, formé, euh, ont fermé, ils n'auront pas à exiger maintenant euh, ces impôts-là de 2016, 2017 et 2018. Ça veut dire qu'il y a toute une procédure. Maintenant, il y a un autre aspect qu'on a évoqué, c'est l'équité. Et cette équité-là voudrait que euh, tous les organes soient touchés par rapport à ces, à ces à cet exercice-là. Moi, je pense que c'est ça la question. Il y a véritablement l'équité. Vous voulez dire entre les médias publics et les médias euh, privés Mais bel et bien, que ce soit public ou privé, ils doivent, ils doivent s'acquitter des impôts, puisqu'on l'a dit quand on faisait les débats. Jafar, on a, vu, on a vu que par, euh, par, rapport à cette question, euh, une journée écran noir et bandeau noir a été observée par un bon nombre de, de médias privés. Surtout, est-ce que vous pensez que cela a eu un effet oui, en effet, puisque ça, ça a amené les citoyens, et les téléspectateurs à s'interroger qu'est-ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que maintenant, il appartient à nous, médias, de, de poser le, débat euh, pour que les citoyens fassent, euh, puissent faire la part des choses entre des, des, des, responsables d'entreprises qui veulent une certaine transparence dans la conduite de, ce, de cet exercice-là de fiscalité et des citoyens euh, qu'on estime être euh, des super citoyens qui ne veulent pas payer les impôts. Je pense que les débats aussi devraient être posés pour, pour qu'on ne puisse pas se faire euh, étiqueter euh, comme étant des, citoyens, des super citoyens à part entière. Moi, je pense qu'il y a tout un débat là-dessus. Suleiman Mamadou, euh, est-ce que vous pensez que cette journée de mécontentement euh, qui s'est caractérisée par des, des, écrans noirs, bandeaux noirs, est-ce que cela aurait pu, avoir, des influences Les, citoyens étaient, étaient dérangés de leur habitude, de ceux qui sont habitués, parce que vous savez aussi, chaque citoyen, il a un certain nombre de médias, par exemple, si tu regardes euh, ou Dunia ou, ou quand ça n'aimait pas, un écran noir, c'est gênant. Donc, en réalité, le message est bel et bien passé. maintenant, dans la durée, est-ce que, moi, une des critiques que j'ai fait à, même à l'interne, tout à l'heure, on était à réunion, mhm. est-ce que, véritablement, dans un combat, euh, dans la durée, il fallait commencer la grève par la, la, lutte par la grève. Mhm. C'est une question. Est-ce que, par exemple, une télévision peut observer un, mode privé pendant une semaine mhm. Vous voyez, donc en réalité, je pense qu'il y a plusieurs niveaux entre nous. C'est-à-dire qu'il y a un débat à, l'interne qu'on doit faire en tant qu'organe de presse, en mhm. tant que les patrons de presse. Il y a aussi, par exemple, dans cette affaire-là, dans ce, truc de dupe-là aussi, euh, le, débat interne, c'est aussi il faut de la vérité. Certains patrons de presse qui, même, qu'ils de, de fond à la presse, savoir dans leur compte ou dans leur poche au détriment des, journalistes. Donc ça c'est un débat, c'est un débat interne. Maintenant vraiment par rapport au débat euh, sur la, les, impôts, cette affaire là, euh, c'est je crois autant il y a eu un précédent, hein, autant du président Barré, euh, feu Barré, il y a eu donc une tentative comme ça. Ça s'est réglé lorsque, effectivement, les gens ont fait Barré qu'il n'y a pas d'agent de la presse. Il a trouvé une solution. Il a demandé, par exemple, à la, direction de la tamboula de, payer les impôts aux <laughs> journalistes. Et bon, c'est comme ça. Mm-hmm. c'est un peu quoi. c'est une impasse. Mm-hmm. Donc, la réalité, je pense que aussi, il faut dire la vérité, même à notre niveau il y a des approches, euh, il y, en a des frondeurs qui pensent qu'il faut forcer la main, en tout cas au, pouvoir. Il y en a aussi qui pensent que on peut peut-être aussi euh, négocier. Par exemple, le, le ministre de la RFI, il a dit en fait le but n'était pas de c'est ils vont faire une sorte d'inventaire et on a traité le, cas par cas. Je pense que jusqu'ici, on, peut considérer que dans une république, en tout cas, ils savent ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que la liberté de, presse est une liberté fondamentale et par conséquent, vous ne pouvez pas, en, tout cas, l'étouffer et penser venez tranquillement. Bien. Euh, est-ce que vous pensez que ces, écrans noirs, bandeaux noirs euh, ont pu avoir euh, une influence quelconque Inévitablement, il y a une influence. Il y a une influence, il y a eu, Alain Suleiman vient de le dire, je crois c'était, je sais plus, c'est en 97 ou en 98, et là, nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018, mais c'est le même phénomène qui s'est produit. Je peux vous ah. remonter jusqu'à 2013, à la limite, si vous voulez. Parce que 2013, quand Massoud était ministre de la Communication, il y a eu aussi un événement comme ça. À l'époque, il était ministre de la Communication. Je peux remonter jusqu'à ce niveau-là, mais toujours est-il dit que il y a toujours un effet ou des effets, si vous voulez. Il y a eu des effets les gens, parce que tout simplement, il y a un problème qui s'est posé au niveau des médias. Mhm. Et moi, j'ai dit, n'est pas avec les médias qu'il faut chercher l'argent. Les médias n'ont pas l'argent. En tout cas, mais ils ont le devoir de payer les impôts. Je veux dire une chose. Par exemple, le fonds d'aide à la presse il faut contrôler chaque année. Avant l'octroi du fonds prochain, on peut procéder à des contrôles. Qu'est-ce que l'argent On a, on a vu qu'il y a des astuces que les gens utilisent pour, pour avoir... On peut euh, contrôler, non On peut contrôler. C'est le fond d'aide, non On peut contrôler. Oui, le projet, c'est sur la base de projet. Il est possible de venir voir est-ce que l'argent, quand le DP a pris ou quand le directeur général de l'organe est venu prendre l'argent, qu'est-ce qu'il en a fait Alors, un autre sujet, euh, Hussein, excusez-moi de, vous interrompre, que je voudrais qu'on parle, mm. c'est euh, ce sujet euh, qui fait grincer d'ailleurs dans cette commission centrale créée par arrêté ministériel et qui est chargée d'organiser donc les élections des futurs membres du CSC. Beaucoup parlent d'une première au Niger, alors que euh, depuis la semaine dernière, d'aucuns euh, parlent euh, d'un décret présidentiel datant d'ici décembre 2012 qui a prévu cette structure. Le décret président, donc la commission centrale chargée de lire les membres du CSC est composée de sept membres, dont deux représentants du ministère de la Communication, un représentant du ministère de la, Justice, un du ministère de l'Intérieur, un du CSC, un de la presse privée et un autre de la presse publique. Euh, alors, si ces, décrets, si vous en avez eu connaissance, est-il en harmonie avec euh, la Constitution du 25 novembre 2010 qui, en principe, est euh, au-dessus de tout texte Moi, je n'ai pas eu connaissance de ces décrets, c'est vous qui m'informez. D'habitude, je sais ce qu'on a l'habitude de faire. Ce qu'on a l'habitude de faire au, niveau des organisations socio-professionnelles du privé, les gens désignent leurs représentants. Au niveau des autres structures aussi, les gens se réunissent, ils désignent leur. On ne peut pas venir mettre des gens. C'est qui ces gens-là Ceux-là qui sont nommés là, c'est qui tu es journaliste, il devrait le non, savoir. Non, je ne peux pas le savoir. C'est depuis le 25 janvier que. 25 janvier. Mais moi, je ne suis pas au courant. C'est toi qui viens de m'informer. Tu n'es pas au courant. non, honnêtement, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas qui sont ces gens. Qui sont-ils Qui va les nommer Parce que au niveau de la corporation du privé, c'est aux gens du privé de désigner qui va aller les représenter. Et on sait le mode de désignation tel que ça s'est passé depuis que le CSA a commencé à exister. Maintenant qu'on mette une structure en place et que c'est à la dernière minute qu'on dise que voilà, il y a une structure qui est là, qui va décider. Non, je viens d'apprendre. Ce décret a été mis en place en vertu, de, ah, cette décision plutôt en vertu d'un décret présidentiel datant de 2012. Lequel décret je pense que pour faire un débat utile, il va falloir euh, euh, vraiment rapporter en fait le, fait. Ah, ah, à, à euh, la vérité, moi quand j'ai vu ça, c'est aussi cela notre travail de vérifier vraiment la vérité de certaines mm. choses. N'est pas encore, il est mis une commission électorale. Et conformément au texte qui dit qu'en Conseil des ministres, on doit donc, en fait, euh, c'est une procédure, en tout cas, moi personnellement, euh, je suis allé au CSC savoir véritablement qu'est-ce qui se passe, ça fait bruit quoi. Mais la vérité, c'est que jusqu'ici, la ministre euh, de la communication, c'est elle qui met, qui nomme en tout cas, euh, qui met en tout cas en place cette commission, qui est censée enregistrer les candidatures. Parce que la, loi dit que, par exemple, ceux qui doivent être membres du conseil doivent d'abord être âgés au moins de 35 ans. Il, il y aura une enquête de moralité il doit avoir une expérience de au moins 10 ans. Donc, arrêter le travail de la commission, une commission électorale, va non seulement avoir les, candidatures, mais aussi organiser les élections. Donc, ce n'est pas encore une. Jusqu'à preuve du contraire, la loi, elle est toujours là. C'est-à-dire que maintenant, la désignation des membres du CSC va être conforme comme ça a été le, les différents CSC. Autrement dit, les organisations de la presse, les trucs des de, droits de, l'homme, les trucs les avocats, en tout cas, tout ceux qui doivent être représentés en tout cas, c'est ce qui va être fait comme ça a été fait avec le CS. Euh, euh, avec la différence, avec la différence que il euh, y, a une organisation qui reçoit les candidatures pour toutes les structures ça, a toujours été comme ça. Le, CS, la, commission qui a, mis en place le truc d'Abdelman Ousmane, c'était Abdullah Mahmoud, C'est aussi la même procédure. On a, nommé une, on a mis en place une commission électorale, entre guillemets. Mm-hmm. Et je pense c'est vraiment, c'est non seulement aussi ce c'est qui C'est des journalistes, en tout cas, euh, professionnels. Et je crois aussi, même dans leur on a tenu compte aussi des différentes corporations pour être représentés. Mm-hmm. Donc, vraiment, moi, je pense que vraiment, c'est pas exact il n'y a pas une commission qui va désigner les membres du, CSC, mais on a mis en place une commission électorale qui est censé vraiment faire le travail, euh, recevoir les candidatures, examiner conformément à la loi. Est-ce que, par exemple, dès maintenant, quand effectivement, par exemple, tu, tu n'as pas l'expérience requise, quand tu, tu n'as pas l'âge requis, dès, elle peut bloquer. C'est un peu ça la, la vérité. Donc, euh, moi, je pense que, euh, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, euh, ce qui est fait là, c'est pas on a mis une, commission qui va désigner. Non, non, non. On a mis une commission ah, électorale. Il n'a pas été dit même que cette commission doit désigner, mais plutôt c'est cette commission qui est chargée de recevoir les, candidatures, de les valider et d'organiser les élections. Absolument nous allons. Vous avez déjà parlé. on va donner la parole à Jafar d'abord. C'est les ah. organisations à l'interne qui désignent doit les représenter. justement. Maintenant, par rapport aux membres du bureau du CCI, c'est à ce moment-là qu'une commission peut intervenir. Mais d'habitude, c'est ce qui s'est toujours passé dans ce pays Jaffa, depuis Oui, je pense qu'il faut, il faut nuancer les choses. Il y a, euh, cette commission-là euh, qui a un rôle, moi je le trouve, je, trouve que c'est un rôle de comité qu'elle qui est censé recevoir les, candidatures et euh, les passer à, l'enquête de moralité. Moi, j'étais candidat, candidat déjà à, l'ancien bureau euh, du CSC avec euh, Ismaël Salou, le, qui est l'actuel rapporteur du CSC. On a postulé au même euh, au titre de la presse écrite. C'était la même procédure. Euh, à l'époque, les débats s'étaient posés. est-ce que nous, en tant que jeunes, on a même les 10 ans d'expérience et, et on, on, a postulé après l'enquête de moralité, maintenant, la deuxième phase, c'est pas le comité qui organise les élections. Le comité renvoie les associations à leur niveau pour organiser à leur sein et c'est supervisé, chapeauté par la maison de la presse. Ou, séance tenante, vous vous entendez sur la procédure des élections. En tout cas, Donc, ça, comité... c'est une information que justement, tu, viens de donner parce que moi, personnellement, j'ai échangé mm. il, y a il y a une semaine ou dix jours de cela avec Garba Ousmane, directeur des études de, du CSC, qui disait que c'est cette commission qui est chargée de recevoir les candidatures, mm. de les valider et d'organiser les élections, non, pas de renvoyer. Pas d'organiser. Elle vous invite. Euh, euh, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont euh, euh dans, ah. leur, appréciation de leur charge, mm. mais je sais que moi, j'étais candidat aux, dernières euh, élections pour le CSC. Et ça s'est il y avait cette commission. Il y avait cette commission, il y a un superviseur. C'est-à-dire, on peut même organiser trois à quatre élections de représentants au niveau sectoriel, c'est-à-dire le public de leur part, les associations de leur part, et la, la, commission la peut envoyer un de leurs représentants pour la représenter dans chaque superviser les, superviser les élections. Et c'est les associations chapeautées par la, par exemple, pour notre cas, par la maison de la presse, qui, qui après euh, l'enquête de moralité et autres, qui dit on a reçu tel nombre de candidatures et on passe aux élections et on définit les procédures à l'interne, supervisées par la maison de la presse. Et c'est maintenant, la preuve c'est que ça a évolué à un certain moment. Le mode, le mode d'élection a changé au niveau des associations de la, de, la presse privée. Dans un premier temps, on passait par, euh, par exemple, euh, puisque le texte dit que la, presse privée a trois représentants. Elle ne précise pas que ce soit de l'audiovisuel, de télé ou de la presse mhm. écrite. Mais c'est à l'interne que les, les organisations s'entendent pour, pour de la presse écrite. nous allons passer à notre, nous allons, désolé, nous allons passer à autre sujet parce qu'il y a plein d'autres sujets qui nous attendent. Euh, nous allons passer donc à cette, à, cette, ce sujet qui défrait la, chronique, notamment l'arrestation du porte-parole du Front de l'opposition indépendante fois, à l'occurrence Intini euh, Alassane, président du parti PNDP à Calcassa et quelques participants du sitting organisé par le FOI à la place Toumo dimanche passé. Ils ont été interpellés à la police, euh, à la police judiciaire pour tapage nocturne. Alors, Hussein Issa, quelle analyse faites-vous à propos oh, mais il y a toujours cette velléité d'étouffement de liberté. Je ne sais pas euh, ce qui a motivé parce que s'ils ont pu tenir le sitting, euh, c'est parce qu'ils ont reçu une autorisation. Hmm. Maintenant, est-ce qu'ils sont restés dans le délai ou pas Ça, je ne sais pas. C'est parti jusqu'à la nuit, ce soir. Ok. Mais toujours est-il dit qu'il euh, il y a une velléité ou du moins, c'est même pas de velléités, c'est karma, le constat qui est là, c'est qu'on veut étouffer les libertés. Moi, je vois pas quelqu'un qui est assis sur un goudron. T'as pas une nocturne. Par rapport à quoi Par rapport à quoi Ils ont embêté, qui Je crois c'est à la place, tout le monde, ils ont organisé. Oui, effectivement. Ok. Ils sont venus, on les a pris parce que tout simplement, peut-être les discours qu'ils ont tenus, c'est des discours qui sont dirigeants, quelque part. C'est bon, moi ça ne me surprend pas dans le contexte actuel. Là, je suis votre point de vue euh, par rapport à ces euh, Par rapport à ça, euh, je pense que dans un premier temps, il faut reconnaître une évolution au niveau du gouvernement. de plus en plus, d'autoriser quand même euh, aux, marches, jeunes cette liberté fondamentale euh, que celle de manifester. Ça, c'est quand même une chose, tout le monde est d'accord que de plus en plus le gouvernement est un peu liberticide, un peu, j'allais dire, pardon, euh, il, est un peu, il laisse les gens manifester, contrairement en tout cas à une période assez récente. Donc, ça, c'est un acquis et je pense que ça fait une bonne image pour le gouvernement à, à l'extérieur, à l'intérieur. Parce qu'au au moins, les jeunes ne se plaignent plus. Et en quoi cela est dû en quoi Bon, je pense que tout simplement, quand même, euh, en démocratie, un gouvernement qui se veut démocratique, en tout cas, doit aussi faire le jeu démocratique. Mais maintenant, véritablement, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le principe euh, d'arrêter les gens avec vraiment des, des, des chefs d'accusation assez légers la nocturne, si on doit arrêter les gens pour ça, je pense que <laughs> les prisons vont être pleines. Euh, franchement, ce n'est pas assez vraiment sérieux comme chef Mais, mais encore une fois, excusez-moi, mm. je ne suis pas sûr que euh, le juge quand même qui a, fait ça, peut-être qu'il trouve un fondement de la, loi. Donc, on dit que euh, il soit allé jusqu'à devrait manifester le, le 4 il soit allé jusqu'au 5, peut-être que le juge <laughs> Il n'était pas, minuit. Mais bref, pour, être, être sérieux, moi je pense que véritablement, si on doit vraiment. Vous, trouvez le chef d'accusation très léger. Vraiment, il faut avoir des éléments assez vraiment euh, costauds, quoi, vraiment, pour le prendre. Euh, Jafar, rapidement. Oui, euh, moi je pense que si on dit euh, pour c'est quoi le motif tapage nocturne, certainement il y a quelqu'un à qui on a, on a à qui, on, a... on a fait les tapages quand même, on a dérangé. Si c'est quelqu'un qui a porté plainte, euh, là d'accord, parce que tout autour, on peut dire qu'il y a des maisons. Mais si c'est euh, l'autorité qui a été victime de tapage nocturne, vraiment, c'est très léger et peut-être il faut, il faut aller au-delà au, de ce genre d'actes. De, ça, ça ne grandit pas la, la, démocratie. Et aussi, aussi, aussi, il faut comprendre que de plus en plus, euh, on, on, a une, une certaine vision de, de, droit, euh, le droit qu'on a de manifester avec toutes les velléités euh, pas du tout citoyennes euh, qu'on constate. Il faut, autant qu'on a un droit de manifester, autant il faut consentir des devoirs. On a même des devoirs quand on manifeste. Parlons, parlons, parlons de cette marche que prévoit d'organiser une fois de plus les organisations de, la société civile euh, après celle organisée le 14 et le 28 janvier. En effet, comme promis, les organisations comptent sortir donc euh, très prochainement, le 11 février. Quel pronostic euh, vous faites de la réussite ou non de cette autre marche et du poids qu'elle pourrait constituer pour amener le gouvernement à revoir certaines dispositions de la loi des finances objet de, de, cette protestation? Ben, je pense qu'il y a un aspect indicatif que, le gouvernement peut, hein, accepter et de, peut-être d'engager des négociations, c'est euh, euh, le fait que la, manifestation, c'est que les participants évoluent de jour en jour. Ça veut dire que le nombre, vous voulez le nombre augmente des manifestants, et là, c'est pas rien pour un gouvernement. Euh, il a besoin, même s'il n'a pas communiqué, même si il a communiqué et que ça ne, ça ne convainc pas, et là, il doit, il est censé écouter cette population-là. Moi, je pense qu'il y a besoin de s'asseoir, discuter. Même pas pour peut-être faire marche arrière, mais il y a un besoin de, discuter, est ce que vous pensez que la prochaine marche va mobiliser plus de monde que euh, celle du 28 janvier Bon, vraiment, ça, c'est aller dans un <laughs> acte divinatoire. <laughs> Mais quand vous avez dit que de plus en plus, on même, constate que... Euh, de par la dernière manifestation, on ça estime que hum. ça, peut drainer de, de, encore du monde. Même si euh, on a une tradition au Niger de, la conjoncture de, des manifestations. Plus on manifeste, plus ça devient plus ou moins désuète euh, et ça décourage. seulement Suleiman Mamadou du Niger, journal Niger Inter. Euh, la prochaine marche pour le 11 février. Pour une, lecture marxiste ou <laughs> matérialiste des choses, ce que je me rends compte à l'évidence qu'en réalité, comme on dit, on ne peut mobiliser les gens que sur la base de leur intérêt c'est que effectivement la loi est maintenant en, vigueur. <laughs> et elle-même mobilise, ses ennemis. <laughs> Et on le sait véritablement, la dernière fois dans le Républicain, nous avons dénoncé quand même le gouvernement n'a pas été euh, prévoyant, à savoir puisqu'on dit gouverner c'est prévoir. Mhm. Le gouvernement sait très bien que une fois que la loi va commencer à être appliquée, elle va incontestablement avoir ses effets pervers. Ces effets pervers. Et par conséquent, Notamment les augmentations euh, exagérées. Après coup, on a vu cette réunion de al puis mhm. ensuite, euh, euh, la avec la Chambre de Arrivée. Mhm. Il fallait donc dire aux, opérateurs donc de ce soir à, cette flambée des prix. Mhm. bref, je pense qu'il faut de la vérité. La prévoyance. C'était une, une, défaillance. Mais je pense que, comme l'a dit Jaff, il, non seulement le gouvernement doit continuer véritablement, en tout cas, à surveiller euh, vraiment les partenaires, en tout cas, pour éviter, parce que il faut le dire, il y a des opérateurs euh, vraiment économiques véreux mhm. qui non seulement qui ne payent pas leurs impôts, mais qui, vont en tout cas profiter, de la loi pour vraiment euh, simplement comment on dit donc aggraver la, situation en tout cas aggraver la situation mhm. donc de ce point de vue là je pense que et maintenant du côté donc au niveau du front social je mhm. pense que aussi, c'est tout à fait normal dans une euh, euh situation, un démocratique, en tout cas comme il l'a dit, que le gouvernement puisse aussi envisager, euh, s'il est possible de, de, dialoguer, donc, euh, discuter avec. Euh, en tout cas, on a vu que cela n'a pas encore été le cas jusqu'à présent que le gouvernement puisse appeler les organisations de la société civile. C'est un peu plus compliqué que ça. La, à la vérité, c'est qu'il y a une situation qui est là, et c'est ça aussi la démocratie, elle est difficile. Le gouvernement, pour avoir donc euh, réussi à adopter cette loi, il estime être en tout cas dans la légitimité, de, dans la légitimité de gouverner donc euh, par, la a euh, soumis un projet d'abord au niveau des élections, il a été, voilà, voilà. Mhm. Donc, et maintenant, aussi, la société civile pense aussi avoir une haute légitimité. Il pense qu'en tout cas, il y a, un jeu de force, vous voulez dire, il y a bras de fer. Donc, ça, c'est ce genre de situation, si effectivement il n'y a pas un esprit dialogique, est-ce que d'aboutir à une impasse parce que véritablement, légitimité pour légitimité, en fait, qui va, vous voyez ce que je veux dire? Bien, vous ça. Mais la légitimité, c'est d'abord le peuple. Les mesures fiscales, là, les effets impact directement sur les citoyens. Parce que le commerçant, dans tous les cas, il ne va jamais perdre. S'il achète le sac de riz peut-être à sept francs, il va venir revendre vendre ici à 11 000. Si il va constater que les 7 000 là jusqu'à destination, c'est arrivé à 8 000 ou 9 000, il va impacter ça sur le consommateur final. Voilà tout le problème. Et c'est ça en matière de consommation. Et tout au monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens qui sont les commerçants, les opérateurs, ils vont jamais perdre. alors, la, mobilisation. La mobilisation va aller croissante au fur et à mesure que les gens vont commencer à sentir les effets. Au fur et à mesure, les gens vont sortir. est-ce que vous pensez que le gouvernement euh, Mais je sais pas quelle va être la réaction du gouvernement. Mais toujours, tu dis que ça va crescendo, ça va monter au fur et à mesure. Parce que tout simplement, quand moi, par exemple, avec 50 000, j'arrivais à gérer un certain nombre de choses. Et que je me retrouve dans une situation où il me faut plus de 115 000 pour gérer. Où est-ce que je vais trouver le gap de 25 000 là pour pouvoir faire face à mes obligations. Voilà la difficulté. Et c'est ça qui va pousser les gens. Ce n'est ah. pas une affaire de Ah non, ils vont. C'est comme l'a dit Suleiman, alors c'est la loi des finances Non, mais, bien sûr. Mais les gens, parce qu'ils n'ont pas senti, ils ont commencé à sentir. Imaginez le transport qui a augmenté du jour au lendemain. Hmm. Le transport des bus là, du jour au lendemain. Il a fallu appeler les, les opérateurs du comme secteur. Comme l'a appelé tout à l'heure euh, oui, Suleiman il a fallu les appeler pour leur dire vraiment il faut machin. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Alors, euh, savez, nous allons passer au dernier sujet de ce forum, notamment euh, les deux réunions qui se sont tenues ici à Niamey. Euh, la première, le G5 Sahel, la quatrième réunion donc des chefs d'État du groupe mm. G5 Niger, Mali, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso. Euh, on a vu que le président de la République, Issoufou Mamadou, a pris la tête de, cette organisation. Euh, autre, donc, euh, entre autres défis, il y a la question du bouclage du financement de la force G5 Sahel qui devrait être 8000 hommes pour sa pleine opérationnalisation en mars 2018. À ce jour, près de 294 millions d'euros sont acquis sur les 450 millions d'euros nécessaires. Euh, les pays, euh, alors, une rencontre est prévue prochainement le 23 février à Bruxelles, en Belgique, pour faire le point justement du financement. Quelle analyse vous inspire le processus d'opérationnalisation de, de on a dit mars, On a dit mars, on a 294 millions d'euros. Mais quand c'est nous, c'est notre sécurité, ce n'est pas d'abord la sécurité des Occidentaux. C'est à nous de faire l'effort. Je veux savoir quel est le pays. Je pense que chaque pays doit apporter une contribution. Effectivement, effectivement, euh, chaque pays membre euh, euh, doit participer à hauteur de 10 millions, 10 millions d'euros. Qu'on aille vérifier, voir quel est le pays qui a versé ces 10 millions d'euros là. C'est en termes d'équipement et de prise en charge. Mais, équipement, prise en charge là. Il faut qu'on puisse évaluer ça exactement par rapport au montant. Comme me disent quelqu'un ne peut pas venir gérer ta maison. C'est à toi de faire l'effort. Vous n'êtes pas optimiste alors non, pour l'opérationnalisation Non, non, non, mais les gens font des annonces parce que même ce qu'on a annoncé là, 294 millions d'euros là, ce n'est pas, l'argent n'est pas intégralement mobilisé. C'est juste des, annonces. C'est ça qui s'est passé. Et on va encore attendre, je sais pas, 200 et quelques millions d'euros mais on va les trouver où Il y a un financement, oh, ben, semaine prochaine, on dit euh, à Bruxelles que les gens, il y a un machin pour une réunion pour pouvoir mobiliser. Mais, les gens viennent, ils vont faire des annonces, c'est des effets d'annonces. Jafar, vous n'êtes pas aussi optimiste quant à l'opération de, cette force suis, qui est censée lutter contre donc, le euh, terrorisme. Je suis optimiste euh, vu la présence d'un certain nombre de partenaires financiers, notamment du, du du monde arabe, euh, qui euh, leur financement, leur appui ne, souffre d'aucune euh, objection ni même de, comme on dit, de contrôle. Vous parlez de l'Arabie saoudite, et autres, du Qatar qui va venir. Mais c'est qu'il faut encore comprendre, que mhm. la sécurité, elle l'a dit, la sécurité, le financement de la sécurité devrait venir des concernés, de ceux qui se sentent en insécurité. Mhm. Maintenant, là, pour ne pas donner raison à une autre loi, euh, peut-être une loi rectificative des, finances mhm. qui viendra ajouter d'autres charges, puisque c'est de cela qu'il s'agit. S'il nous faut financer, ça veut dire qu'il faut que les citoyens acceptent de, de, de, de, faire des sacrifices. Et dans nos pays, compte tenu de la nature du système de dirigeants qu'on a, les citoyens n'ont pas encore cette culture d'autofinancer, de, de, de, de s'autofinancer. Est-ce qu'on est prêt à financer l'armée c'est ça la euh, question. Là, est-ce qu'on est euh, prêt à participer à cette, à cette euh, foire commune Il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas de solution. Il faut, faut nécessairement partir. parce qu'en réalité, que ce soit ici, les, pays africains et les occidentaux, ils sont obligés de participer parce qu'en réalité, le terrorisme n'est pas de quartier. Aujourd'hui, c'est une menace euh, globale qui est là et tout le monde est conscient. Euh, voilà pourquoi aussi il faut le reconnaître quand vous regardez notre budget. La part euh, de la sécurité de le budget est assez inquiétante et plus les associations se détériore, plus ça va s'aggraver. Donc moi je pense qu'il faut voir la vision de, cette initiative. à savoir que rien à faire. les partenaires, en tout cas, savent le danger. Aujourd'hui, le Sahel c'est stratégique. Ils savent, les Occidentaux, euh, en fait, c'est pas pour eux aussi, ils sont tenus euh, donc de participer parce que véritablement, une fois que tout est remis en cause au niveau du Sahel, c'est le monde qui va être euh, facilement perméable. Euh, bref, il y a des intérêts géostratégiques qui font qu'en réalité, ils sont tenus de, de, participer. donc, euh, il n'y a aucune. Y a aucune bon, maintenant, des problèmes d'intendance, ça, ça, ça, c'est autre chose. C'est plutôt de notre côté, comme c'était inquiété l'autre, où véritablement, lorsqu'on a aujourd'hui toutes ces pressions-là. Récemment, on, était, on, a, on a vraiment vu que véritablement, c'est assez complexe qu'on le, pense. Il n'y a pas longtemps, on était à de du CSC, on a, a fait la situation du Fonds à la presse. Pourquoi En fait, c'est qu'à un moment, le euh, gouvernement était obligé de geler des financements de beaucoup d'institutions pour simplement faire face à, ces questions sécuritaires. Donc, bref, euh, euh, on peut vraiment s'amuser avec notre situation interne, mais en matière de sécurité, il n'y a pas vraiment à hésiter il faut véritablement faire face. Il faut mettre le moins qu'il faut parce que la sécurité n'a pas de prix. 15 euh, secondes, justement pour dire qu'on parle de, financement de la sécurité, mais le fonds, euh, le fonds souhaité ne va pas seulement à, financer la sécurité du point de vue logistique militaire. Il y a des projets, il y a des, projets, de développement, effectivement. ce n'est pas que la spécificité, pour compenser euh, l'adhésion des jeunes, des jeunes à ces mouvements terroristes. Bien, nous sommes arrivés euh, déjà euh, à, la fin de, cette émission. Nous étions avec Ossé Issa, journaliste indépendant, Lel Suleiman Mahmoudou, journaliste au niveau du journal Niger Inter, Jafar Maman du journal Indépendant Plus, présentation de cette émission à la Sankouzi, à la technique euh, Hassan Tawé. N'oubliez pas votre rendez-vous hebdomadaire des forums en langue nationale. Demain samedi, vous serez en compagnie de Mamanada pour le forum en Hausa à partir de 17h15 et dimanche à la même heure avec Balkis Amidou pour le forum en Zarma. Ils nous parleront du fléau de la mendicité au Niger. Excellente soirée à tous et bon début de week-end.